Thank you. Nous sommes lundi 20 novembre 2023. Merci d'être à l'écoute des programmes du studio Kalangu à travers nos médias partenaires, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de, votre, de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukela Hussein alias Seno et avec moi Habiba Ahmed. Alors, l'édition est assurée par Adam Adawaki et Rahila Toussoumana. À la technique, nous avons ce matin Kader Chambiano. Habiba, bonjour. Bonjour c'est nous. Et le week-end, ça a été, j'espère. Impeccable. Eh bien, au programme aujourd'hui, il y aura la rubrique justice du lundi et évidemment notre entretien. Dans ce même numéro, nous aurons également l'écho des régions qui nous amène à Asamaka, une ville du département d'Arlit dans la région d'Agadez. C'est en quelque sorte la porte d'entrée en Algérie. Et c'est pour brosser un peu la question de l'insécurité. Et oui, sans oublier la chronique Lotti, la page sport et la culture linguistique en anglais avec Jacqueline Dalton, notre responsable éditoriale à la Fondation Hirondelle. Mais tout de suite, voici le flash après ça. Hamadou. Oui, bonjour Habiba Ahmed, bonjour Ali Moukela Ousseini. Bonjour. Chers auditeurs, Mokhtar est là pour nous présenter le flash d'information. Et oui, le flash d'information à présent. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Alio Daouda, a animé hier un point de presse relatif à l'affaire de l'État du Niger et l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a tenu à expliquer à l'opinion nationale et internationale que la décision de la Cour de l'organisation a violé les dispositions de l'article 72 du traité de l'institution, les attributions, compétences et pouvoirs du juge des référés. En effet, le 28 août 2023, l'État du Niger et sept autres entités ont saisi la Cour de justice de la CDAO de deux requêtes. Une première requête au fin d'appréciation de la légalité des sanctions et une seconde ayant pour objet le sursis à exécution des sanctions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA à Abidjan. Au Niger, plus de 8500 accidents de la route ont occasionné en 2022 la mort de 1220 personnes et environ 12 000 blessés selon le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou. C'était hier en prélude à la célébration de la 12e édition de la Journée africaine de la sécurité routière euh, cette commémoration est une réponse de l'Union africaine aux préoccupations croissantes des gouvernements et des acteurs de la santé publique vis-à-vis des traumatismes dits aux accidents de la circulation, a expliqué le ministre des Transports. Dans le cadre euh, de la première journée de la Super Ligue euh, de football euh, du Niger, édition 2023-2024, le champion en titre, l'association sportive de la garde nationale ASGNN, a fait une mauvaise entrée en liste hier en trébuchant face à l'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN. Euh, c'était sur euh, la pelouse euh, du stade municipal de Niamey lors de la rencontre inaugurale de cette nouvelle saison sur le score de 1 but à 2. Ce match a bénéficié de l'attention de tous les amateurs du ballon rond nigérien de la capitale au vu de son enjeu, mais aussi de l'organisation attentionnée qu'il a fait l'objet par la FENIFOOT et transmis en direct sur les antennes de la radio et la télévision nationale. Aujourd'hui, lundi 20 novembre, sera joué le dernier match de la première journée entre Renaissance et Liberté FC, tandis que l'USGN est exempté de cette première journée. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 20 novembre 2023. Merci infiniment, Mokhtar. À bientôt. Comme annoncé en début d'émission, notre rubrique Entretien d'aujourd'hui porte sur l'activité des femmes transformatrices du groupement féminin Telwa de Aladab une localité de la région d'Agadez. Ces femmes transforment les produits maraîchers qu'elles ont elles-mêmes cultivés. Mais avant, je vous propose de vous installer confortablement en écoutant ce titre Titimo de l'orchestre Étoile des Zongo. aimerengi suru kalapema gorese gorodombo kalapare nazangododo tangare mosibole kalaremi wanere makikimo managabi bakurenya mara musa imanagabi nakurenya aliyo wai go ja zere sere kala ganda irmado gabaya pandamanandi keroga pandamanandi we madogo yegadere apo kwaene ermadoga Pero koyere ma bo buna lo mar Yuwaliye ne ma alina lo mar Uwe ba so dondo dondo kalaganda Erma do kama dimentara esenten hayambo mata galambani sanda mado gadi tera wada maka gari gwamnati ta kaina gwamnati sai na yaga na zango dodo mana galili kurne o joku ga sai pale pale kalaganda ai marire ya sai fare fare kalaganda irma kama. ilanga mire siginda sirani wanar maka gade kanta yeginda kan kwayo man wanar maka biye zango ya muradu ti kumadi kurebiye ojanan kadija tujaribiye karogoja irmado kama irkoyere manyalenaloma amin sumba amin sanno abu bora lakal kalma dugmari ide ndogandu sikani ojem irmado kama 许诺啊 Étoile des Zongo, un joyau de la musique nigérienne basée à Niamey. Ce titre, Titimo, une ode à la vérité. Et oui, rendons hommage à la richesse culturelle et musicale de cette formation qui laisse une empreinte mémorable. kukan shamuwa muwa ina ce kukan shamuwa muwa ina ce kukan shamuwa muwa ina ce kukan shamuwa muwa ah, ina ce kukan shamuwa muwa Eh! Voilà, à l'instant, c'était bien Chichimo de l'orchestre Étoile des Zongo, chers auditeurs, tout en espérant que cette euh, sonorité musicale vous a permis de vous installer confortablement. Retour au studio pour suivre notre entretien du jour avec euh, des femmes battantes de la région d'Agadez. Il s'agit des femmes transformatrices du groupement Telwa. Elles font du maraîchage et en même temps transforment une partie de leur production. Elles sont interrogées par Asumana Aboubakar. Coopérative Telwa, muna sarrafa dawa muna sarrafa komai wanda ya shafi abinci da wanga muna sarrafa hasi muna sarrafa alkama ita ma to kuma wajen harka garake muna sarrafa zogala muna sarrafa tomat muna sarrafa albasa muna sarrafa tafarnuwa muna sarrafa pom de terre muna sarrafa pavron shi ma abu dai duk wanda ya shafi garka muna sarrafa shi to kamar kuka sarrafa shi da ne ake yi kaga yanzu ga in muka sarrafa da gashi nan gari muka wanke dawa muka nika ta sai in ta bushe muka sa ta ga sheshuwar ta bushe sannan mu sa ta ga ledodi mu saida kamar gari ne haka eh gari ne gashi nan fari ne gashi nan to sauran abubuwan wa'anga na gara ke su ma an muka shanya su an muka sarrafa su sai mu shanya su in suka bushe sai mu sa su ga ledodi mu saida to ina ne kuke saida su muna saida su nan wasu a kuma muna samun baki da suke zowa visit sai suna saye ba ku da tsari na na saida haka kamar kuna da wani depo ko ko wani da kuke kai ma yana saye a'a nan ne dai suke zowa suna saye to dami dami ne ne kuke aiki wurin sarrafa wannan abinci kamar kayan aiki haka dami dami kuke amfani da shi kaga yanzu in gari za mu sarrafa ga dawa za mu sarrafa ga suna abin da muke aiki da su da sauran akwai can saura cikin fuwayen wa an ga mashin ga shi nan garin ga in maka nika shi a mashin sai mu sa shi ciki mu busar da shi wa'ancan ma kayan legim su ma nan ne muke sa su bushe kaga ba za su ganin kura ba ba su ganin komi babu kasa to kamar ya ne tsarin aikin ku yake mutum nawa ne ya kuke tsari kowa ne yake zuwa yayi kamar yanzu in za mu sarrafa dawa ga group muke wa'anga da za su sarrafa dawa su sarrafa dawasu ku nawa ne cikin gurup mu gurup mu 33 ne 33 kamar akwai wani kiritar haka ko ko duk mace dai kawai dai tana iya zuwa ta bisarin eh nan duka babu wani ko mai armi ko yan mata a'a dukan mu dukan mu muke aiki muna son yara su koya saboda gobe babu mu yaran nan su ma sai su koya kuma su koya ma abokan su to kamar akwai mai tallafa muku cikin wannan tafiya ta aiki muna samun barfuwa da suke tallafa mana kamar sai isa'ir e ta taba tallafa mana kppr ta tallafa mana bisa wa'anga mashin da mashin na nika kuma ga energy solar nan bisa ita ta ba mu shi to kamar cikin wannan aiki na ku mm-hmm. wannan matsaloli ne kuke fuskanta matsaloli wanda muke fuskanta gaskiya saboda ba mu da form mai karhi kama ba mu da tallafi mai karhi kuɗi ne kayan aiki ba mu da kuɗi muna da kayan aiki amma ba mu da kuɗi wanda kamar mu sai abubuwa da yawa wanda za mu zanka sarrafawa ya ta iya tsarin kowa ne ke hidda nashi a bada a aiki aka saida a raba riba ko ko ne kuke a'a cotization muke yi muna sayowa muna aje riba riba har yaba mu kai wurin da za mu raba ta ba riba tana na aje kawai tana ta karuwa ba ta da karhi riba ta une petite pause musicale avant de poursuivre notre entretien. Et oui, cette fois-ci, écoutons le titre Hanfona Gaban du groupe de rap Métaphore Crew. cesseront de couler. Africa, où est passée ta liberté Pourquoi la peur ne règne plus dans nos cités Africa, quand ce sera-tu de saigner De l'âme de sang sans de couler. Africa, où est passée ta liberté Pourquoi la peur ne règne plus dans nos cités Anfonaga ah, ah, ban kidi dazare ban isil go wangora to pull a lot to me, they go got downtown. We have to collaborate. And for Nagaban, and for Nagaban, in they still go and go round. And for Nagaban, but to pull a lot to me, go got We collaborate. And for Nagaban, Rika, in a cochola, Iga, Kita, Bi, Munakuka. The render on a monagani, so on Garuru, munachikitolochi danyu mwamwesoboda yakiyoshesekarewa Comme faut beaucoup de mal quand je vois dans n'était pas des bombes Comme faut beaucoup de panique quand ça passe la famille ici tombe Ça fait chibiler le peuple et le code continent d'Afrique attend Arrêtez de nous satisfaire et nous sommes essayés de commander Colombo Et puis de nous laisser aller par les palais lui qui viennent diviser pour Béragne Tu parles de Babylone qui devant des arbres Parce que maintenant c'est année il faut qu'on s'unisse Solidement pour le faire tomber L'astre de la guité et le seul moyen qui demandera à la liberté Qui sin innehåller inte Ifada Mocken upp i som en legal chaufför som fyllar de här till Ifada Han känns som att han är ille för maten kan leva den till dessa luven Sen festen i lyser ännu så nu overlopen för västerland och Afrika Man får naga band, killing dansar, ribban silgo angora Man får naga band Bottle full of lot to me say go go downtown We Alphonagaban Alphonagaban Kini Laza Rebani Still go and go round Alphonagaban lot to me say go go downtown We a mère Afrique dans tes guerres tout va travers L'atmosphère est pourrie Éphémère est la vie de ceux qui préfèrent ici Faire face à la tuerie Jour et nuit ça dégénère Et les actes de barbarie S'accélèrent à la sauvagerie Qu'elle-même persévère à la pluie de cette guerre Ou peuple de même mère s'entretue. Ainsi le calvaire continue, comme si l'enfer est descendu sur terre. Après le Rwanda, le Congo est venu le tour de la Côte d'Ivoire, le Mali et la Libye. Demain, as-tu le trou Au lieu d'attendre son tour, il va falloir y agir sans choix. Sinon, mon Afrique sera victime de leurs abus de pouvoir. Bon sang, mes frères, si ce continent est abondissant, c'est à cause de mais aussi du rôle mystique que nous Oui, je témoigne à travers ma critique de Carter Pacifique que des enfants d'Afrique coulent comme l'océan Atlantique. Catastrophique, le bilan crie la mer Africaine. Et eh oui, Hanfonagaban, cher chers auditeurs, auditrices, Métaphore Crew incarne la quintessence de l'engagement artistique. Ce trio de jeunes est devenu une voix incontournable dans la dénonciation des conflits et des menaces pesant sur la paix mondiale. Leur morceau dépeint avec euh, finesse et audace les réalités euh, multitueuses voilà, du monde contemporain. Leur morceau ne se contente pas seulement de divertir, mais inspire également à l'action et à la compréhension mutuelle. What Follow Gabon est bien plus qu'une chanson, c'est une œuvre d'art engagée.

Oublie pas c'est ta liberté, pourquoi la peur règne plus dans nos cités Alpunan kini dasare bani silgo wangora Alpunan gaban Watu kula goga tong tong Ye ya fe kalabora Alpunan gaban Alpunagaban, inidazare bani silgo wangora Alpunagaban Watukola la tumeze kuga tom tom New York we

Et eh oui, Hanfona Gaban à la fin Revenons avec euh, ces vaillantes femmes qui en transforment, voilà, qui cultivent la terre et en tirent profit à travers la transformation agroalimentaire. Les femmes transformatrices du groupement féminin Telwa, interrogées par Asuman Aboubakar. bisa ga abubuwan da muke sarrafawa wanga garin dawa da kuke gani da muka fara shi mun je mun yi farmasiyon zai iziyar e ta ba mu farmasiyon da ta ba mu farmasiyon suka ba mu mashin guda muka zo muka yi cotization tsakanin mu mu mata na gurfema da muka yi cotization sannan muka taimaka muka so dawa da muka soyo ta muka zo da buhu guda ne muka fara shika talatin da biyar muke so shi in muka so shi muka zo muka sarrafa shi sai mun auna mun gani nin mun samu wani abu sama daga gare shi ko ba mun samu ba sannan da da mun ga mun samu na abu sama da gare shi sai mu kawo abin nan da muka samu sai mu aje shi kote guda muka aje shi kote guda sannan kuma mu doki an can talatin da biyar mu sai muna samun wani lokaci jika arba'in ba biyu muke samu cikin shi ko da yake baya da riba da yawa saboda dawa da kaso talatin da biyar sai ka sarfa sai ka yi komi sannan amma dai mun gode ma Allah dai sannan mu koma mu so wata bayan shi sai kan gara ke zami kangara ke dama a lokacin da suke da sauki a lokacin da adda kwai su ne muke zuwa muna so to a lokacin nan suna da sauki in muka so muka zo muka sarrafa su muna samun dan wani abu shi ma sai muke bai ma'aji abin nan sai in ya dan taru lalle ba a rabawa amma mutum in ya samu masala kenan dole gurfe man zai taimaka maka bisa harkar masalan nan da kake da yanzu in mutum yana da masala muna bashi to bayan haka nan kuma muna dan tattara shi yanzu sai ya zan dai wani abu sa'an nan da mu samu kowace mace ta samu don abin hannunta saboda aiki in mata ba su samu abin hannuwansu kenan ba za su saya wa dindindin aikin nan suna yin shi menene burin ku cikin wannan aiki da kuke ko a mu gurin mu wanga aiki da muke yi ba mu ba ba dai mu ba har jikokin mu wanga aiki mu samu yadda muka rike shi su ma su zo su rike shakana kuma muna so wanga aiki da muke yi sunan mu ya fita ko ina kenan mu samu amfanin shi nan akwai mutanen da suke zuwa lalle daga gari daga daji da yake sun san da shi suna zuwa suna saye amma ba mu da a can cikin agada cikin wurin da za mu kai kaya mu aje wannan wuri ba mu da shi kenan wannan wuri muna nema game gabata mu samu mu ma duk kayan da muka yi mu samu muna da wannan wuri muna zuwa muna ajewa sunan mu ya fita akwai wanda suke specialize a ce kama wasu aikin su mashin ne kawai mm. wasu aikin su nika ne ya ni kuke tsara aikin yadda fa muke tsara shi daman kamar yau za mu garinga sai kamar jiya mun zo dama mun sassara aikinmu cikin mace 33 nan muna yin mace biyar biyar shidda shidda kowace ga aikin da za ta yi kenan a wanda su zo su mashe mashin a wanda yake su wanke dawa a wanda yake suna nika ta mace shidda shidda ne muke yi eh, kenan ba mu ce gurbi uku ne wani lokaci gurbi hudu shi kenan su wanga kayan aiki na san da suna son kama maintenance ya ne kuke antrecin su to kayan aikin ga mana dama leda muke sowa muna rufe saboda gada mana aiki daman bai da yawa leda muke sowa duka mu zo mu yi ambalin su da ledodi mu rufe su to in sun bacewa ko in sun kare mu mata tsakanin mu to gafa kaya sun lalace kenan tsakanin mu ne muke dan tara abin da muke tarawa mu kiro masu gera su zo su gera mana muna da mu nan ta mata nan ne muke shifke shifken mu kamar lokacin da mana yayi ba ta da ruwa kamar da wani dusu ne kenan ka saka kan ga kuna noma rani ko ko ga damana ne kuke noma ya eh, kamar lokacin damana ne adda ku ruwa cikin ta a in damana ta wuce babu ruwa eh babu ruwa kenan kuma da gulbin nan ne kuke aiki yawa da ruwan nan ne da sun zo mun samu irin ruwa cikin ta da ruwan nan na gulbi sun janye an rasa ruwa cikin ta kamar dusu ne gare ta cikin kirija kamar da gino ne take so hakan ga an gina ta da ta niso ka da an sa motar ko ba ta wuce kamar fangali biyu ne sai shi wurin naku ne eh namu ne eh namu ne na mata na kuna da rijiya amma rijiya ba ta da amfani ba ta da amfani rijiya to ne kuke so a gyara muku mu rijiyar nan ce muke so a gyara mana ita mun samu ruwa cikin ta rijiyar nan kowane lokaci ma sai mu zanka yin amfani cikin ta kuma nan kamar da mi da mi kuke shirka su zo gala nan muke sa su da tumatir da su malofiya da su hari ko duk muna sa su nan kenan duk abin da kuke fasara cikin jarrin ku ba ku sai da shi kin gona ta mun fudo amfanin ta ne Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 26 minutes. Et maintenant, voici notre rubrique hebdo qui parle de justice. Aujourd'hui, elle est consacrée aux droits internationaux et nous saurons un peu plus euh, sur quelles notions comme les crimes contre l'humanité, les compétences de juridiction nationale et internationale en matière de crimes ou génocide. Au regard des conflits qui se vivent au Mali, au Burkina ou encore un peu plus loin, à Gaza, quels sont les crimes qui seraient susceptibles d'être commis dans ces situations Réponse dans cet entretien que nous a accordé le juriste Razak Mahazou. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Maître, aujourd'hui nous allons parler du droit international euh, et nous allons évoquer les différents conflits, notamment le conflit qui vit euh, dans la bande de Gaza, au Burkina Faso et au Mali. Quels sont les crimes qui sont susceptibles d'être commis Les crimes qui sont susceptibles d'être commis euh, au Mali, au Burkina Faso et tout récemment dans la bande de Gaza peuvent être de trois catégories. Vous avez les crimes de guerre qui s'entendent en toute violation grave du droit international humanitaire qui sont commis à l'encontre des civils ou des combattants ennemis. En effet, ici la définition de l'article 8 des statuts de Rome fondant la Cour pénale internationale fait le plus souvent autorité. En termes de cette disposition, la majorité des crimes de guerre concernent les meurtres ou les atteintes à l'intégrité physique des civils ou des prisonniers de guerre, mais aussi le pillage ou la destruction délibérée des constructions civiles. Vous avez les crimes contre l'humanité qui sont une attaque intentionnelle et généralisée contre toute population civile. Les crimes contre l'humanité se différencient des crimes de guerre par le fait qu'ils peuvent être commis même en temps de paix. Quelle est la différence entre les civils et les combattants dans les cas conflit La différence entre le civil et les combattants dans le cadre d'un conflit armé est prévue par le droit international. La notion de combattant renvoie à tous les membres des forces armées d'une partie au conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux. Les forces armées peuvent désigner les forces armées régulières d'un pays ou un groupe armé organisé il faut dire que euh, les personnes qui n'ont pas encore pris part au combat, mais qui ont été euh, recrutées, entraînées et équipées par un groupe armé non étatique sont aussi considérées comme des combattants intégrés de facto à un groupe armé. Quant aux civils, ils sont définis comme toute personne non membre d'une force armée. Est-ce que les droits internationaux protègent les bâtiments civils et sanitaires en situation de conflit armé et Bien sûr, les droits internationaux protègent tous les bâtiments civils et sanitaires. Ce sont des emprises qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une agression de quelque nature que ce soit dans le cadre d'un conflit armé, par exemple eh, bombardement, pillage, privation d'eau ou d'électricité, etc. Mais cette protection ne s'applique pas si ces endroits sont détournés de leur fonction humanitaire. Pour le prolongement, eh, le personnel médical est protégé par eh, le droit international et ne doit pas être entravé dans l'exercice de ses fonctions humanitaires, sauf et bien évidemment s'ils participent au combat. Qu'en est-il des journalistes qui opèrent dans les zones de conflit armé Les journalistes sont aussi protégés par les droits internationaux dans le cadre d'un conflit armé. Les journalistes ne peuvent pas être pris pour cible, ainsi que leur équipement professionnel. Ils ne peuvent non plus être arrêtés, détenus ou sanctionnés dans le cadre de leurs fonctions. Est-ce que le blocus est interdit en situation de conflit armé et le blocus d'une ville ou d'un territoire n'est pas à proprement parler interdit par le droit international, mais il est soumis à des règles. Il est par exemple interdit d'affamer une population civile. Il est également interdit l'utilisation de la famine comme méthode de guerre. Cela constitue un crime de guerre. Quels sont les mécanismes de répression des crimes internationaux, en l'occurrence euh, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide Les mécanismes de répression des crimes internationaux, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide qui sont susceptibles d'être commis au Mali, au Burkina Faso et dans la bande de Gaza sont des désordres. Au niveau national, eh, les juridictions pénales nationales peuvent se saisir pour poursuivre et juger les personnes qui n'ont pas respecté le droit international humanitaire. Si ces juridictions nationales n'ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de le faire. La Cour pénale internationale peut être saisie dans ce cas de figure par soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit le procureur de la dette cour sur autorisation de la chambre préliminaire, soit par les États partis, notamment le Mali et le Burkina Faso et l'entité palestinienne eh, qui sont des États partis au statut de la CPI et qui peuvent saisir euh, la CPI dans euh, le cadre euh, d'un conflit armé, dans une situation dans laquelle où il existe des motifs sérieux de nature à penser qu'il peut y avoir la commission des infractions qui relèvent de sa compétence. Il faut rappeler que, en vertu du principe de la complémentarité de la Cour pénale internationale, la juridiction criminelle nationale est compétente d'abord. Donc, c'est si un ordre juridique national s'est effondré ou si un ordre juridique national refuse manque à son obligation internationale qui consiste à poursuivre et juger les personnes qui sont suspectées d'avoir commis les infractions graves. À ce sens, la Cour pénale internationale peut être saisie. Que faire en cas d'inaction de la communauté internationale dans la poursuite et la répression des crimes En cas d'inaction de la communauté internationale dans la répression des infractions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, intervient ce que l'on appelle la compétence universelle et autorise n'importe quelle juridiction nationale à poursuivre et juger les personnes qui sont suspectées d'avoir commis ces infractions. Donc, les États ont compétence pour la poursuite et le jugement d'une infraction, même si cette infraction n'a pas été commise sur son territoire ou cette infraction a été commise par une personne étrangère à l'encontre d'une victime étrangère et sans que cet État soit la victime de l'infraction, en vertu du principe de la compétence universelle. Et cela se justifie par le fait que eh, la gravité de ces crimes porte atteinte à l'ensemble de la communauté internationale et c'est une offense à la morale internationale. C'était la rubrique hebdo. Faisons un autre tour en musique avec Mouma Bob. oui, Mouma Bob, artiste émérite, est un chanteur et guitariste exceptionnel. Sa musique est elle une empreinte de la richesse culturelle touareg. Sa résidence dans l'Aïr, berceau des traditions, se reflète dans chacune de ses notes, faisant de lui l'un des meilleurs représentants de la musique touareg au Niger. Voilà, c'était bien l'artiste Mouma Bob, cher auditeur. Place à l'écho des régions et le reportage euh, en région de ce jour nous amène dans la ville de Assamaka, région d'Agadez. C'est euh, le carrefour de transit commercial et migratoire entre le Niger et l'Algérie. Assamaka est situé à environ 200 km au nord d'Arlit et à 15 km de Ingezan, voilà, en Algérie. Durant plusieurs années, l'axe Arlit Asamaka est confronté à des attaques de bandits armés. Cela constitue un calvaire pour les usagers de cette voie. Notre correspondant Gungu Mohamed Dantani s'est intéressé à la question. Voici son reportage. tsawon shekaru wannan hanyar na fuskantar hararen tariyar banduna masu ɗauke da makamai wani lamari da ke tayar da hankalin jama'a amma yau biyo bayan matakan da sabbin mahukuntan garin suka girka jama'a na nuna murnarta game da yanayin kwanciyar hankalin da ake gani malam musa wani sababban mai bin wannan hanyar ne a lita a samakka ya ba da shaida. Tsalolin da muke samu ta yake da muke bisa hanya a lita zuwa a samakka bisa harakar bandi. Bandi na bisa hanya a samakka complex ke gare su saboda in yau an ci iko ya zama daga kotan ga haka suna da labarin kamar iko suna kilo hamsin sai su tare a kilo saba'in kenan mu abin muke gani dole sai mu duro mun kama iko mu kamar abubuwan da muke gani a cikin wurare muka gaya musu kama musu haɗin kan abin da za a samu a ciwo kan shi. Matsalar na biyu da muke samu talaka a bisa abinci dan Allah iko mu su kama mu a samu saukin abin nan talaka mu a sassabta musu lalle mun gode ma Allah a watan ga tare tare babu shi a sauyi mun same shi saboda mun ta mun dawo mun ta mun dawo kowa lahiya da kuma kana zuwa bari kana gai ana fito mota iko suna bakin kokarin shi saboda ba a iya ci a lokaci guda a cimma abu sai sannan a hankali sai dai kuma a wata fuskar masu jigilar da kaya na kokawa da wahalhalun da suke fuskanta kan wannan hanyar bari mu saurari abdusani da muhammadu mai kayan alje eh gaskiya akwai su su abin ya ba da ba wani zama wata Allah ka alhe su gana hanyar alhamdulillah zama Allah guda akwai sai da wannan hanya su ga haraka duwa gana motoci in muka tafi ba mu sai kola gari sai mun zo na a ce muna sai mun bar jika mu ko karon mota akan kike ganin ka duba ko da yaushe daga nan ne aksi ne ka so ya ga ta mu ta a sama ka iko ba su raga mana nan ka ba da goma ka tai can ka ba da shika goma in ka dawo ka ba da shika goma alai retur dai karanta mil a nashi bangare shugaban gundumar arlit kwamandan almustapha usman ya ba da tabbatancin cewa za a ƙara ƙarfafa matakan tsaro kan wannan hanya ta arlit a samakka tare da yawaita sintirin jami'an tsaro domin kare al'umma da dukiyoyinsu. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport et euh, c'est avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Abiba. Débutons cette euh, nouvelle semaine, Adam, avec les résultats de la première journée de Super League qui a débuté hier, n'est-ce pas Eh bien oui, c'est nous. Sachez que le derby entre les deux équipes militaires, à savoir l'Ice Garde Nationale et l'Ice Fan, a tenu toutes ses promesses. Victoire de l'Ice Fan au final sur le score de 2 buts à 1. l'Ice Douane, quant à lui, s'est imposé face à la Kokana FC Dalut sur le score de 1 but à 0. A Zender, Espoir FC a perdu face à l'AS Police de Niamey sur le score de 1 but à 2. Tawa, le GST a fait McNeil 0 but partout face à l'Olympique FC de Niamey. Et aujourd'hui, Renaissance de Niamey affrontera Liberté FC au stade municipal de Niamey à 16h. Adam, parlons à présent du MENA national qui a perdu son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde face à la Tanzanie. Eh bien, le MENA national tarde toujours à convaincre les supporters nigériens malgré les changements d'entraîneur. Nous rappelons que le poulains de Zakariaou Ibrahim, le nouvel entraîneur par intérim, sont tombés une fois de plus en face d'une équipe qu'il connaît bien pourtant, car les deux équipes étaient dans le même groupe des éliminatoires de la Cannes. Une fois de plus, ce sont les Tanzaniens qui, ont pris le dessus sur le Niger sur le score de 1 but à 0. Le ménage jouera son deuxième match contre la Zambie demain à 20h au Maroc. D'accord. Changeons de registre à présent pour parler de lutte traditionnelle cette fois-ci. Eh bien, c'est la fin des éliminatoires entrant dans le cadre de la 44e édition du Sable national qui se tiendra en principe du 22 au 31 décembre à Agadez. À l'issue de la sélection, 16 lutteurs ont été retenus dans les rangs de la région haute et parmi lesquels on constate le grand retour de la Medaba annoncé par le directeur régional de la jeunesse et du sport, Abdul Anoutab, des propos recueillis par notre correspondant Moussa Maman. On l'écoute. Au cours des éliminatoires, à la fin, nous nous sommes retrouvés avec 9 invaincus, 11 qui ont eu une chute, une chute, et 12 ayant deux chutes, deux chutes. D'abord, nous avons mis les 9 de côté donc, il, passe de fils. On a confronté les 11. Un a pris le repos. Les 10 autres se sont affrontés. Donc, euh, il y a eu 5 combats. À l'issue de ces 5 combats, il y a 5 vainqueurs et 5 vaincus. Les 5 vainqueurs et celui qui a pris le repos ont regagné les 9 invaincus. Donc, nous nous sommes retrouvés avec 15. Euh, c'est celui de la CDAO déjà qui fait 16. On a le plaisir d'informer la population d'Agadez que la menu de Medaba est de retour cette année. Il sera dans l'équipe d'Agadez. Inch'Allah, à la 44e édition. Et il y a des jeunes talents quand même très forts. Vu d'un travail de fond, d'endurance et d'autres techniques de lutte, je pense que nous avons une équipe vraiment très jeune avec laquelle il faut compter. Eh bien, chers auditeurs, c'est sur ces mots de lutte traditionnelle que prend fin cette page du sport. À demain pour un autre numéro. Merci bien, Adam. À bientôt. Dans la partie portrait, notre étoile d'aujourd'hui s'appelle Nassara Abou. Elle a la trentaine et c'est une jeune entrepreneur spécialisée dans la transformation agroalimentaire à Maradi. Euh, aujourd'hui, l'objectif euh, de Nassara, c'est d'avoir son propre local qui portera son nom, Nassara, afin de mieux faire la promotion de ses produits partout au Niger. Portrait réalisé par euh, Mariam Adé, envoyé spécial dans la capitale économique. Nasara Abu sunana matashiya ce cikin garin maraɗi mai harkar kayan sarrafe-sarrafe na kayan gona musamman na bakar na bisa kan harkar madara muna sarrafa ta e, muna yin cikuwa gasi yawo dage muna haraka su kuɗi muna yin abubuwa da dama da restoration da sauransu muna ji na ciral kuma yanzu malama nasara muna so mu sani me ya ziga ki da kika zabi wannan aikin to abin da da ya sa na fara wannan aiki gaskiya ni aikin tun da na tashi ina karama ta kamar ina son shi ne guri na ne da in yi kasuwanci da dai da kasuwanci na fara na kayan su abu in saida to daga baya kawai na mai da hankali na bisa kan abin da ni iya a lokacin nan sai nake sarrafa ba ina yi ina yi a gida hannu hito waje kuma ina saida yanzu kin kai shekara nawa da kenan ga yin wannan aikin gaskiya na jima sosai da na fara tun gida ne na fara kawai ni guri na in yi karatu in yi abin da dai na samu ni dan dai in iya karatu in karanta in yi magana da sauransu kuma in gane me ake nihi bisa kan wasu abubuwa bisa kan haraka ga turanci me ni dai guri na kawai in yi aikin hannu kin ce kuna sarrafa kaya shin wa'anga kayan da kuke sarrafawa ina kuke samun su ko in ce da ke kawo su dukkan su na ƙasa ne waɗanda muke sarrafawa gaskiya saboda mafi akasari ma madarar da muke sarrafawa e, ta shanu ce ta dabbobi ce muke aiki da ita kuma kayayyakin da muke sarrafa kamar su hatsi da sauransu duka na cikin ƙasa ne wani irin matsaloli ne kika haɗu da su cikin wannan aikin da kike yi gaskiya matsalolin da nake fuskanta su ne abu ne aiki da ina son shi sosai don saboda na san da duk yadda matsala ta zo da sauransu ina jurewa ina yin aiki na yadda ya kamata mai matsalolin da nake fuskanta a yanzu to gaskiya na harkar lokal wuri inda ya kamata in rinka sarrafa kayana ingantaccen wuri wanda aka gina ga material definitive da haraka abin da za ni iya tallar kayana me kamar ina bukata abin hawa hakan ga wanda zan iya sa kayana da nake sarrafawa in sa su cikin gari wajen shaguna da kasuwanni na ƙauyuka da sauransu don in sai da su sai kuma kuma harka ambalage in wanda yake shigo mana da Nigeria gaskiya muna da babban matsala a nan wurin buku da wata dabara da za ku yi aiki da ita gaskiya babu wata dabarar da ke gare mu don saboda nan a cikin maradi babu inda za mu rinka samun su kenan dole sai Nigeria ne muke sayo su suna isuwa kenan in ma mun ba da koma surtu da yanzu da aka rihe bododin ga yanzu kahin a kawo mana shi gaskiya sai mun shiga cikin rupture na production tunda dole sai da ambalaj za mu sa produit mu mu sa shiga kasuwa kenan dole Nigeria ne muke ɗauko shi muna kawo shi a nan ga yanzu muna so mu sani ku nawa ne kuke aiki cikin wannan entreprise kin mu takwas ne a yanzu muke aiki cikin maza hudu mata hudu muke aiki tare da su kuma ni ke biyan su sevre ni ke da entreprise amma duk shawarwarin mu da dukkan cin gaba entreprise tare da su muke shawara da su muke aiki tare aikin da kike cikin shi kina samun ya eh gaskiya alhamdulillah ina samun daidai gwalgwadon yadda karhina na production ita ta actual da nake ciki daidai karhi na daidai samu na a yanzu alhamdulillah yanzu nan cikin garin maradi in ana wani arme suna wani ceremony dai haka a mutane da suke zuwa suna lansan komanda wajen ki insha Allah akwai su sosai ma saboda ana bukatar kayana sosai sun samu karbuwa a cikin kasuwa to sai dai karhin dai ne bai isa inda za ni in yi satisfyar in kiliyan ina ba yadda nake so me ina yin daidai karhin da Allah ya bani kuma ina samun koman kuma ina bale zalimantation da sauran shaguna hatta har garuruwa haka na ƙauyuka haka le departament ina liviran madara ta a can wajen yanzu yau muna so mu sani me gurin ki kama guri na a ce yau gani nan ina da entreprise ita wadda an gina ta bisa kan teren inta e eh, muna harkokin mu duka duk sarrafe sarrafe mu muna cikin su cikin norm cikin wuri mai kyau tsabtaccen wuri kuma muna da abubuwa hakan ga wanda za su ɗauka madarar tamu muje da ita ko ina har in samu in bude wasu wurare cikin lesotin region ina bukata a ce produit ina yau ya buka duka cikin niger in a ce an san shi kuma ana consumen shi shine gaskiya guri To yanzu ga ƙarshe kina da wani kira da ke so ki ma matasa ko kuma mata? Gaskiya ni dai ina da kira ke sasuwa matasa maza da mata da su samu su shiga cikin harkar sarrafe-sarrafe don saboda yau duk karatun da ka yi gwamnati baya da karhin ya ba dukkan matasan aikin yi. mai yau ko ma a ce kana aiki yana da kyau a ce ka iya wata sana'a saboda yau in ma mutum ya zo mutum ya yi ritaya kenan yana bukata a ce ya iya wani aikin hannu don saboda ko ka yi ritaya ka san da ka iya wani abu da zaka iya ka yi vraiment yana bukata a ce matasa su samu suma kowa ya nemi abin da zai yi na aikin hannu ya iya wani abu C'était le portrait du jour. Suivez les derniers sons de notre sélection avec ce titre Molo de l'artiste Kamikaze Liman. Hey Yeah, my man. Real Jack. Uh-huh. Kamikaze Le Man. Kamikaze on the fire. Hey. Come again. Yeah, Come again, again, again, Sweet body, girl, to love the way you move at the bottom. Yo, come in the dance. Yeah, now, yeah. Dance soul party. Yo, again, yo. again. Yo, baru, se mola. Kore mola, imo, tunika, jate. Go, imo, tunika, jipa, tunika, jate, molo, walma. से ये मोदन का सोथा सोथे तनगावा से जबारू खारे से मोला खारे से मोला ही मोदन का जट्टे को जाबो रे मोदन का जिप्पो तन का जट्ट मोलो वलमा नंगो नंगे से ये मोदन का सोथा सोथे यस खान मन कम जन कम ने सीन मा एरिया वास जंप अप का क्या हाथ सामानिया Now she go for the chingu, the kumota, mota, mota, see you so, so, mota. commentaire sur le son de yes. Hey, quand go jazz, il n'est qu'à mon desk. Amish, go on the yard, on t'en de WhatsApp et des vex, soit connect sur le son de mon mola. Watch a jump up, then I watch a jump, jump. Nigga, watch a jump, I do car, mola. I say mola, I'm a nigga jet I'm a nigga I'm all over oh, my. I'm going to say, I'm a nigga, so that's Niger vas-y bouge si tu aimes Niger dit, vas-y bouge si tu aimes Bouge ton vas-y bouge si tu aimes J'aime quand tu dis sur la mélodie, oui j'aime Big up, big up, no fresh kamikaze Yo, fuck up, fuck up, tu who do Yo, y'a la pointe à faux Faut qu'à la yeti man non à faux Wajak, wajak, dans la arena tu vois Kamikaze, kamikaze, dans la arena tu vois

yai mo tani ka so tha so the tani ka wasi jambaru khare se mola hare se mola i mo tani ka jaddai go jabo re ma tani ka jippo tani ka jadda mola walma nango nango se yai mo tani ka so tha so the Voilà, Molo, cher auditeur, euh, c'est le titre de cette euh, chanson que vous venez d'écouter de l'artiste Kamikaze Liman. Euh, un son musical, en tout cas avec un cocktail euh, de différents euh, instruments traditionnels mixés aux instruments également modernes, tout en espérant que vous avez dansé sur cette belle sonorité musicale. Eh bien, chers auditeurs, c'est l'heure de la chronique Loti qui traite aujourd'hui des cadeaux que les femmes s'offrent lors des cérémonies sociales, mariage ou baptême. Ces cadeaux peuvent être en nature ou en espèce, mais pour certaines, pour certaines c'est un placement dont elles attendent un retour. Écoutons Talata Abdou euh, Bahar et Salamatou Kadri sur la question. voisine, je suis là. Comment tu vas Et ta famille Dieu merci, tout va bien. Mais dis-moi, tu m'as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas hum, voisine, tu te souviens de mon amie Zainabou Elle a accouché hier soir. Machallah, c'est une très bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui te rend triste Ah, elle a eu un problème Non, non, pas du tout. Dis, tu te souviens le jour du baptême de mon enfant Elle m'a apporté une enveloppe de 10 000 francs CFA et un carton de savon. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je suis de l'incapacité de lui rendre l'appareil. Non. C'est cela qui te rend aussi désemparée Plus que ça, ma chère c'est une honte pour moi de ne pas lui donner plus que ce qu'elle m'a donné. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un prêt à rembourser. C'est juste un cadeau pour te féliciter de la naissance de ton bébé. Hum, c'est comme si tu ne connais pas les femmes d'aujourd'hui. Elles attendent toujours un retour de leur gestes plus majoré. Calme-toi, Nana. Ce que j'ai à te dire, c'est de et rends-toi au baptême et donne-lui ce dont tu disposes. Moi, j'ai vraiment peur d'être la risée du quartier, d'être indexée parce que je n'ai pas grand-chose à donner. Les temps sont vraiment durs dès... Hey, vas-y seulement. Sache que même si tu ne lui donnes rien, cela ne va pas être la fin du monde. Tu n'es certainement pas la seule personne dans cette situation et à penser cela. Les cadeaux, ce ne sont pas vraiment des prêts qui attendent forcément un remboursement. Hum, c'est ce que tu dis. Mais je vais quand même m'apprêter à aller. C'est ce qu'il faut faire. C'est la vérité, ma chère. Les cadeaux lors des cérémonies, c'est juste un geste de solidarité entre femmes. Et même les hommes font partie du lot. Tu n'as pas à t'en faire. Pour moi, c'est un faux problème que tu as là. <laughs> ah voilà, merci de m'avoir remonté le moral. Je vais tout de suite m'apprêter pour ne pas rater le surundu. C'est bon Rio au du déjeuner. Mm, très bien. Et ne manque pas de mettre ma part dans ton sac. D'ailleurs, tiens, mon sachet noir. Hmm. En plus, tu veux qu'on mette de tous les noms, n'est-ce pas <laughs> Apporte-moi au moins ton jus alors. A <laughs> plus alors, vas-y. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français, anglais et ça sera avec Jackie Dalton. Hello, good morning. Today we're going to talk about greetings in English. Aujourd'hui, nous allons parler des salutations en anglais. Savez-vous quand s'utilisent ces trois expressions Good morning, good afternoon, good evening. Alors, good morning, ça s'utilise avant midi. C'est pour dire bonjour avant midi. Good morning. Good afternoon, c'est une façon de dire bonjour l'après-midi. Good afternoon. Donc ça s'utilise à peu près entre midi et 17 heures. Ensuite, good evening, ça veut dire bonsoir. En général, ça s'utilise après environ 17h, 18h. Good evening. Donc, pour récapituler, good morning, good afternoon, good evening. Et ensuite, pour simplifier les choses, il y a deux salutations qui s'utilisent en tout temps. Matin, midi, soir, nuit. Le premier, c'est bien sûr hello. Hello. Et puis, on peut aussi dire hi. Hi. Ça s'utilise plus dans des situations informelles ou avec des amis. Hi. Hello. Et hi. Enfin, savez-vous comment dire au revoir? bah, c'est goodbye. Goodbye. Et maintenant, un petit quiz pour voir si vous avez retenu ces phrases. Alors, première question. À quel moment dit-on good afternoon? Alors, good afternoon, c'est pour l'après-midi. Comment dire bonsoir en anglais? Good evening. Et le matin, quelle salutation peut-on utiliser? Good morning. Et pour saluer en tout moment, c'est Hello. Et saluer de façon moins formelle, c'est quoi Eh oui, c'est Hi. Et au revoir, ça se dit comment Goodbye. Goodbye. Good morning. Good afternoon. Good evening. Hello. Hi goodbye. Those were today's English words. Goodbye. Merci Jackie, à bientôt. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Sunana Abukweni, tsohon mushan makaranta, kalangu ina sauraronta sosai da sosai, amma na yi ƙarfi bisa ga information, eh, labaru hakan ga wanda suke bada tun tunda kana nan mai sai ka samu labarin difa sai ka samu labarin tilaberi sai ka samu labarin agadez ko ina dai suna tabawa wannan abu shine nake alfarmashi gaskiya ina jin daɗin sauraron kalangu tunda abubuwa dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma eh, za ka kula da shi haka ji daɗi kai ma kuma wannan wannan naji suna emission da yawa ba a harshe ɗaya ba kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri mutane da yawa kasana wayewa albarkacin kalangu. To suna na malama sa'ar abdu ni ma abuciyar sauraron shi da kyau ma eh, saboda tun daga wajen karhe biyar nan zuwa karhe bakwai labarin da suke ba da na yammacin rana gaskiya bayan su akwai wannan shiri da suke yi na fannin matasa wannan fannin zamantakewar rayuwa hakan gadai gaskiya wannan yana ƙayatar da mutane da kyawu kawo suna bayani bisa kan wani sasarari wani matasa su bar zaman banza kowa ya tashi dogara da kanshi shirye-shiryen su gaskiya yana yi mutane na sauraron su da kyawu wannan labaru da suke ba da gaskiya Allah alhamdulillah shirye-shiryen da suke gabatarwa saboda shirye-shirye ne masu mahimmanci abin da ya ce suna da eh, mahimmanci kamar shirye-shiryen da abubuwan da suka shahi mutanen mu karkara da kuma abubuwan da suka shahi abin da yake nesa gare mu dai abin da yake cikin ƙasa dai in takaice abin da gaskiya studio kalangu babu abubuwan da ba su tabawa fi sabidillahi abin da ya shahidi al'amura na rayuwar mu ta yau da kullum abin da nake kallo kamar studio kalangu lalle an ba su lokaci amma ganin nake lokacin nasu yana da kaman kaɗan eh, inda so samu ne kaman da aka ce gyare-gyaren da a samu lokaci dai wanda kamar da daddare in suna yin a eh, shirye-shirye na dare ni ne ali tayar N'hésitez pas à nous envoyer également vos messages au 82 89 89 64. Nous sommes à la fin de notre émission Les Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie d'Ali Ali Hussein Seno et moi-même Habiba Ahmed. Et oui, la technique était assurée par Kader Chombiano, l'homme aux doigts magiques, et Adama Dawaki Rahila était à l'édition. Rendez-vous à 17h pour le journaux euh, de Studio Kalangu. Excellente journée à vous. Bye bye.